le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Seigneur Yubakaka. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz et Kwarategi FM 90.9 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions ainsi Arlit, Filengue, Birningauri, Turozirin, Magaria, Menesoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel, walam dogonduti madawa dakoro tanut tera kabalewa et ngingimi notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet studio org Chers auditeurs, le forum du studio Kalangou parlera aujourd'hui de la décentralisation au Niger, les écarts constatés entre les objectifs visés et les réalisations obtenues. La décentralisation implantée en 2004 au Niger a pour objectif de promouvoir le développement par le bas et de diffuser les principes démocratiques dans les milieux locaux afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Le découpage territorial devient en 2002 7 régions plus la communauté urbaine de Niamey, 63 départements, 265 communes, dont 52 urbaines et 213 rurales, 4 communautés urbaines regroupant les communes urbaines des plus grandes agglomérations. Les recherches sur le sujet font état d'un écart considérable entre les objectifs et les réalisations de la décentralisation. Les facteurs avancés pour expliquer cet écart sont entre autres le faible appui technique et financier de l'État envers les collectivités Territoriale ou encore la quasi-inexistence d'une fonction publique locale qualifiée et apte à prendre en charge les projets de décentralisation. Toutefois, ces observations s'avèrent insuffisantes pour rendre compte des difficultés rencontrées par les acteurs de la décentralisation au Niger. Le Code général des collectivités territoriales du Niger encadre la décentralisation comme mode de gouvernance et de responsabilisation des populations dans la gestion de leurs affaires locales. Le Code général des collectivités territoriales a clairement défini les conditions de revocation de certains élus locaux à travers l'une de ses dispositions, notamment l'article 63. Ainsi, selon l'article 63 du dit Code, sans préjudice des sanctions pénales, le maire et le ou les adjoints peuvent, en cas de faute grave, être revoqués par décret pris en Conseil des ministres rapport du ministre chargé de la tutelle des collectivités territoriales. Le second alinéa de cet article dit sont considérés comme fautes graves pouvant entraîner la revocation prévue à l'alinéa premier les fautes si après détournement des biens et ou des deniers publics dûment constatés par les services compétents, concussion et ou corruption, prêt irrégulier d'argent sur les fonds de la commune, faux en écriture publique et usage de faux, endettement de la commune résultant d'une faute de gestion, refus de signer et ou de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du conseil municipal refus de convoquer et de réunir le conseil municipal conformément au texte en vigueur, spéculation sur l'affectation des terrains publics, les lotissements, les attributions de parcelles, les permis de construire, absence de plus de trois mois consécutifs pour des raisons autres que celles relatives à l'intérêt de la commune ou de santé, condamnation pour des faits et actes punis par la loi, à l'exception des contraventions de simple police ou des délits d'imprudence, hormis les cas de délit de fuite concomitant. Le troisième alinéa de l'article 63 dit que, en tout état de cause, le maire et ou l'adjoint prévu, prévenu des fautes graves ci-dessus énumérées peuvent faire l'objet de suspensions préalables prononcées par arrêté du ministre en charge de tutelle des collectivités territoriales. Ils sont admis préalablement à fournir des explications écrites. L'article 63 finit en stipulant que la révocation emporte la qualité de conseiller municipal. On constate ainsi que selon l'une, que loin d'une navigation à vue, les décisions du ministre de l'Intérieur sont basées sur des dispositions légales assez claires à la matière. Dans ce forum, nous ferons le point de la mise en œuvre de la décentralisation au Niger, la gestion des collectivités territoriales par les élus locaux et l'implication de l'administration centrale dans la gestion des collectivités territoriales. Les revocations tous azimuts des élus locaux remettent-elles en cause euh, la décentralisation ce sont là les points évoqués dans ce forum. Nos invités pour en discuter, Sidou Halidou, il est directeur national de la décentralisation. Monsieur Sidou, bonsoir. Bonsoir. Adam Manzo, conseiller municipal ici à la communauté urbaine de Niamey. Adam Manzo, bonsoir. Bonsoir. L'autre invité que nous attendons incessamment, ce sera Ali Maman. Il est aussi ancien maire au niveau de la communauté urbaine de Niamey et conseiller municipal actuellement. Bienvenue à ce forum du studio Kalangu. Le maire de Niamey, la capitale nigérienne, Hassan Seydou a été révoqué le mois dernier par un décret pris en Conseil des ministres, a indiqué un communiqué gouvernemental lu à la radio d'État qui ne précise pas les raisons de cette sanction. Cette révocation survient une semaine après une visite de la ville par Issoufou Mahamadou, le président du Niger. À l'issue de cette dernière, il avait reproché aux responsables municipaux leur insouciance incompréhensible face à la grande et au manque d'assainissement de la ville de Niamey. Fin juin 2017, six maires de la ville euh, moyenne ont été revoqués pour des soupçons de malversation des deniers publics. Le conseil municipal de la ville de Bilma, nord du Niger, a été carrément dissous. Des élections municipales qui devaient se tenir le 8 janvier 2017 ont été reportées s'inédit. Afin de permettre aux mairies de continuer de fonctionner, le Parlement nigérien a voté une loi prolongeant les mandats des élus. Monsieur Alidou Sedou, d'abord, pourquoi le Niger a décidé de s'engager dans le processus de la décentralisation ben, C'est une question qui a fait l'objet de beaucoup de débats, mais c'est tout simplement pourquoi le Niger s'est-il engagé dans la voie de la démocratisation. Je pense que c'est dans le même sillage, dans le même mouvement qui s'inscrit justement la dynamique de la décentralisation. Parce que si le Niger faisait le choix d'aller de la démocratisation de la vie socio et économique d'ailleurs, et que ce mouvement s'arrêtait au niveau des instances nationales. Si je prends un seul volet de la démocratisation, celui qu'on a le plus pratiqué au Niger, notamment les élections, si on élisait seulement le président de la République et les députés à l'Assemblée, est-ce qu'on aurait véritablement démocratisé la vie publique Alors vous voyez bien, c'est dire que dès que vous posez la question de la décentralisation, eh bien, vous posez la question de l'approfondissement et de l'élargissement du processus démocratique dans lequel le Niger s'est engagé depuis les années 90. À ce sujet, il me plaît de rappeler ici que justement au nombre euh, des questions phares qui ont fait l'objet des débats profonds lors de la conférence nationale, notamment au niveau de la commission politique. C'est particulièrement la question de la décentralisation, la question de la responsabilisation des citoyens de la vie publique. Ah et cet aspect-là a fait l'objet d'un important débat au niveau de la conférence nationale et justement à débat à partir duquel eh bien, les forces démocratiques, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, ont fait le choix d'abord, parce qu'il faut le dire, c'est à ce niveau que l'option d'aller vers la décentralisation, dans le prolongement de la démocratisation de la vie sociopolitique du Niger, c'est en ces termes que la question de la décentralisation s'est posée. Donc, c'est fondamentalement une question posée qui était au cœur du débat de la conférence nationale. C'est vrai, bien avant, la question se posait, même dans le contexte euh, de ce qu'on pourrait qualifier de régime d'exception, la question de la décentralisation se posait, notamment lorsqu'à l'époque on faisait annuellement le bilan du fonctionnement de l'administration à travers ce qu'on appelait à l'époque les conférences annuelles des cadres de commandement ou cadres de l'administration territoriale, ah. la question de la décentralisation était posée. Donc en fait, ce n'est pas un fait nouveau, c'est-à-dire la question paraît comme nouvelle lorsqu'on l'aborde, ah mais au fond, elle était présente. Il a fallu justement maintenant la la conférence nationale pour poser la question. Bon, évidemment, quelque temps, euh, bon, il y a eu évidemment aussi le phénomène de la rébellion qui a, en fait, qui a été seulement une autre, je ne dis pas opportunité parce que c'était une, une, rébellion, mais en tout cas qui a été un catalyseur. Sinon, la question était ambiante. Et de toutes les façons, la démocratisation aurait tout simplement perdu son contenu s'il n'y avait pas la décentralisation. Adamou Mouanzo, 13 ans après l'implantation de ce processus, les acteurs de la décentralisation dont vous êtes euh, maîtrisent-ils aujourd'hui les connaissances qui leur permettraient d'exercer pleinement leurs droits et leurs devoirs je vous remercie. Je dirais que les acteurs maîtrisent parfaitement les textes qui régissent la décentralisation dans notre pays. Seulement, la question qu'on doit poser, est-ce qu'ils ont la volonté de mettre en œuvre les dispositions prévues par les textes y afférents Parce que ce qu'on constate, les textes, ils sont clairs, ils sont simples de mon point de vue d'application, il suffit d'avoir la volonté de les mettre en œuvre pour réaliser les promesses de la décentralisation. Mais malheureusement, on constate que cette volonté n'y est pas. Si on prend par exemple le cas que je connais le plus, c'est le cas des villes à statut particulier, euh, comme Niamey, Maradi, Zinder Itawa. Par exemple, si on prend un exemple, le Code général des collectivités territoriales dit que le maire peut déléguer certaines de ses attributions, certaines de ses compétences à ses adjoints. Il peut déléguer. Ailleurs, on le fait. Ailleurs, c'est automatique dans d'autres pays. Dès qu'il y a un maire, ses adjoints, chaque adjoint est chargé de quelque chose. Donc, et le maire, il fait, il, gère autre chose aussi. Mais chez nous, tout ce n'est pas le cas. Tout est concentré entre les mains du seul maire qui fait, qui garde tout à son niveau. Donc, si on prend un autre exemple, par exemple, pour l'exemple des villes, on dit que le code dit que les arrondissements, les recettes des arrondissements communaux sont constituées essentiellement de la dotation globale de fonctionnement et que cette dotation globale est une dépense obligatoire pour la ville. Mais malheureusement, on constate que les arrondissements ne bénéficient pas régulièrement de cette dotation globale. Donc là aussi, c'est une question de volonté on dit que c'est obligatoire, c'est une dépense obligatoire, mais on ne la fait pas. C'est une question de volonté. Donc, ce qui a beaucoup handicapé les, arrondissements communaux dans leur fonctionnement même, on ne parle même pas du travail qu'ils doivent faire au niveau de leurs arrondissements, mais dans le fonctionnement même, ils sont handicapés. Souvent, les arrondissements communaux, les sièges des mairies, on leur coupe l'eau, l'électricité, le téléphone. Alors que ceux eux qui font les recettes ils versent à la ville. Donc vous voyez, c'est une question, moi je pense que c'est une question de volonté et de bonne foi des acteurs. Ce n'est pas une, non-maîtrise des textes ou des, des, missions des élus locaux. D'accord. Monsieur Seydou, est-ce que vous partagez ce, ce, même point de vue sur cette question de maîtrise des, droits Bon, <laughs> moi je ne sais pas. Ce qui est sûr, euh, le constat est là, comme euh, le petit résumé que vous avez fait en préliminaire du débat, en disant c'est que c'est un décalage énorme entre les dispositions des textes et le comportement des acteurs. Ça au moins c'est clair. Parce que souvent, et c'est dommage, c'est très souvent le cas, on a tendance à croire que c'est les textes qui n'étaient pas bons. ça c'est vrai à beaucoup d'occasions, les gens le disent, mais ce qui est évident, je sais que la plupart, et sinon, en tout cas, la plupart de ceux qui le disent, en général, n'ont pas lu les textes, ou s'ils les ont lus, ne les ont pas compris de leur profondeur. Sinon, je ne dis pas que les textes sont parfaits, c'est vrai. et c'est justement à l'épreuve de la mise en œuvre qu'on peut effectivement euh, se convaincre de la perfection ou pas d'un texte. Lorsqu'on ne l'applique pas, on ne peut pas justement déceler peut-être ses mauvais côtés, ses limites. Et la preuve, il y a beaucoup de dispositions du code qui ont fait l'objet de beaucoup d'applications. Et on se rend compte que, bon, peut-être est-ce que c'est pertinent que, par exemple, qui, est telle chose ou est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal parce qu'il y a beaucoup qui s'interrogent pourquoi le gouvernement révoque-t-il des maires pourquoi est-ce que c'est normal dans un État démocratique qu'on révoque un maire par décret Tout ça, ça se dit. Mm. Mais il, il a fallu qu'on applique, enfin, qu'on applique ces dispositions pour que les gens peut-être se rendent compte et peut-être là apporter les éclairages nécessaires par rapport à ces aspects. Mais pour l'essentiel, c'est qu'il faut le dire, les uns et les autres ne font pas l'effort vraiment d'aller à la découverte et à la compréhension des textes. Il faut le regretter, et c'est que beaucoup d'autres considérations ont prévalu chez les acteurs par rapport à ce qui constitue réellement la réalité de leur mission, qui est parfaitement décrite, en tout cas, comme disent les Français, en français facile. Vraiment, il suffit de vraiment prendre le, code, le prendre, le lire, il suffit qu'on ait d'un niveau quand même minimum pour comprendre ce qu'on veut dire là-dedans. D'accord. Mais j'avoue que dans beaucoup de cas, bon, ça, ça fait partie de la nature du Nigérien par rapport à son lien avec euh, la gestion des, des, des machins. Ce qui est sûr, les gens veulent, ont tendance à concentrer tout sur soi. Et évidemment, cela a des revers. Mais sinon, pour l'essentiel, je ne dis pas que les textes Mais en tout cas, nos textes ne sont pas les plus mauvais de la souris. D'accord. Vous le disiez tantôt, la décentralisation, c'est une question politique, celle de la démocratie, de la démocratisation, qui met en pleine lumière, en pleine lumière la question de la gouvernance. Alors, est-ce que cette gouvernance peut être différente de celle de l'administration centrale Voyez-vous, un des enjeux de la décentralisation, je dirais même un de ses défis, c'est de régler deux problèmes fondamentaux qui constituent du reste euh, la question centrale de notre évolution de, de, le cadre d'un État démocratique. C'est la question de la gouvernance locale, parce qu'il s'agit, nous sommes dans, un, dans le contexte de la décentralisation, la gouvernance locale, mais avec son corollaire qui est celui de la citoyenneté locale. C'est très facile <laughs> d'apprendre que, d'entendre les citoyens interpeller les élus, interpeller les maires, interpeller l'État de manière générale, l'autorité publique, sans que les auteurs de ces interpellations aussi ne s'interpellent eux-mêmes par rapport à ce que doit être leur rôle dans le contexte de la vie locale. C'est facile de dire que le maire n'est pas bon, qui, ne fait pas ce qu'il doit faire. Mais c'est que le citoyen aussi ne s'interroge pas sur ce qu'il doit, ce qui constitue ses obligations en tant que citoyen. Parce que lorsqu'on est un citoyen, on n'est pas seulement habitant d'une commune. C'est-à-dire, pour être citoyen, eh il faut dépasser le stade de simple habitant on n'a pas que des, que des droits, bon, puisque malheureusement, l'essentiel des Nigériens n'ont retenu de l'état de droit que les droits. C'est un peu ça le paradoxe. Il y a beaucoup d'associations de défense de droits, mais je n'ai pas vu une seule association de défense des devoirs des <laughs> citoyens. je n'ai pas vu, je, cherche. J'ai demandé au service des associations du ministère de me relever une association au Niger qui s'occupe des obligations des citoyens. quoi. C'est ça le problème. Parce que c'est c'est une balance. Hein? Lorsque vous revendiquez plus de droits en occultant le devoir, il malaise. Alors, ce qui fait que la décentralisation pose fondamentalement la question de partage des responsabilités. D'une part, entre l'État et les collectivités, d'autre part, entre les collectivités et les citoyens. C'est parce qu'on est convaincu du fait que l'État seul ne peut pas développer un pays et que le développement national résulte de la conjugaison des efforts de l'État et des, collectivités et à travers les populations, que la décentralisation était devenue une politique utile et une politique majeure pour le pays. Mais on se rend compte, au niveau local, les citoyens ne s'interroge pas sur ce que font les maires. On pense que c'est seulement une affaire des rapports entre l'État et les collectivités, alors que aujourd'hui, tous les textes de la République posent la question quelque part du, de la responsabilité des citoyens. On ne peut pas vivre dans une commune et puis n'avoir que des devoirs, euh, que, que, des, que des droits. Mmh. Ils hmm. n'ont pas des obligations minimales. Celle de s'acquitter des 1500 francs, par exemple, de la taxe de voirie. Il y a combien de gens qui vivent à Niamey qui interpellent les élus qui la payent, qui disent que la ville est sale, la ville est... Mais il y en a combien qui, qui s'acquittent rigoureusement et régulièrement de leur taxe, de voirie. Et quand ils se réveillent devant leur porte, s'il y a une saleté, ce n'est même pas le maire qu'on voit, et ça c'est un problème. Les citoyens nigériens ne savent même pas faire la lecture de la chaîne des responsabilités. Si votre quartier est sale, ce n'est pas la faute du président de la République, ce n'est pas la faute d'un ministre, c'est le maire qui est responsable de la salubrité, ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas le ministre. Donc c'est peine perdue que d'interpeller les ministres, le président de la République, on prend l'opinion nationale et internationale à témoin. Alors, <laughs> vous voyez, c'est-à-dire les gens partent dans des considérations, à mon avis, très excessives par rapport à des choses qui engagent leur propre responsabilité. D'accord, Parce que je pense que la question de la salubrité, l'hygiène là, avant d'interpeller une autorité publique, c'est d'abord une responsabilité personnelle du citoyen. En tant que, en tant que citoyen, on doit quand même être quelque part responsable de la propriété de son environnement immédiat. Ça, on ne peut pas attendre. Eh, bon, peut-être le maire, oui, c'est vrai. D'accord, Monsieur Sédou, on va revenir avec vous. Notre troisième invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Ali Maman, il est conseiller municipal. Il est aussi ancien maire ici au niveau de la communauté urbaine de Niamey. Monsieur Ali Maman, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté euh, d'être l'invité donc de ce forum du studio Kalangou. L'une des questions que je viens de poser à M. sédoualidou, Alidou, c'est la décentralisation est une question politique, celle de la démocratie et de la démocratisation qui met en lumière la question de la gouvernance. Est-ce que cette gouvernance peut être différente de celle de l'administration centrale Ah oui, dans sa conception et également dans son organisation. Parce que là, ici, vous avez, euh, comme a dit M. le directeur, donc les citoyens Hein, les populations qui élisent d'abord les élus, et que ces élus-là, normalement, devraient s'occuper de la, ville en lieu et place des citoyens tous à la fois. Ce qui n'est pas possible, naturellement, de euh, mettre tout le monde au travail. Bon, je vais dire par là que euh, euh de, travail de direction. En fait, c'est un travail de direction euh, qu'il faut organiser. Pour ce qui concerne, en tout cas, les taxes de voirie, moi, j'ai dit, ça, c'est la faute des mairies même. Ce n'est pas la faute du citoyen parce que euh, nous avons eu à exercer et nous avons vu comment, si on va vers le citoyen pour réclamer, les citoyens payent. Souvent, c'est une question d'organisation, parce que depuis tout temps, on dit que c'est les chefs de quartier qui doivent encaisser, et, ça pose problème. Parce que souvent, certains chefs de quartier, naturellement, ne font pas le travail. D'autres le font, mais l'argent ne vient pas à la mairie, et ainsi de suite. donc, je vous dis, ça, c'est un travail d'organisation au sein de la mairie. Et je vous assure euh, je suis le président de la commission des affaires sociales au niveau du conseil de ville. Et à plusieurs reprises, nous avons euh, interpellé les maires d'arrondissement, les maires de ville, pour que les avis d'imposition soient établis et déposés dans les concessions des citoyens. Et ce ne l'est pas fait depuis 2000. 2012, n'est pas fait. 13, 14, 15. n'attendez pas à ce que les gens viennent payer d'eux-mêmes. Au moins, déposez l'avis. Le simple avis Mm. Les rapports sont là, ils sont concrets, vous pouvez vérifier au niveau de la mairie, hein, les rapports des commissions. Ben, les gens, c'est un travail qui doit être fait. Nous, nous, avons dit, nous avons dit, nous avons interpellé, mais les justificateurs ont dit, ah, non, non, non, que euh, pour faire les, les, les, avis, les imprimer, il faut payer des millions. On a dit non, même si, prenez un papier simple, qui coûte moins d'un franc. Vous faites une euh, machine, vous tirez et puis vous les envoyez. Vous n'avez pas besoin de faire Ah, il faut faire un truc Non, non, non. Non, non, non. Ce n'est pas un reçu. Donc, vous n'avez pas besoin. C'est juste un avis pour informer l'intéressé qu'il est à telle, résidence et qu'il est euh, imposé pour tel montant et qu'il doit venir le payer dans, tel temps. Donc, à mon avis, vraiment ça, là, cette question, moi, je la connais tellement assez bien et j'accuse je, je, en tout cas les maires d'arrondissement et les maires de ville pour qu'ils ne fassent pas suffisamment ce qu'il faut pour encaisser ce, montant-là. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas payer. Maintenant, pour ce qui concerne, euh, euh, disons, la différenciation de la gouvernance. Ici, vous avez, quand vous prenez l'État, vous avez, l'exécutif, vous avez le législatif. Et quand vous prenez également euh, les assemblées locales, vous avez l'exécutif et vous avez, le, disons, le conseil. Oui. Malheureusement, certains présidents, quand ils sont élus, ils oublient le conseil, ils oublient les conseillers. Mhm. Mais <laughs> la preuve, c'est qu'ils ont pour obligation de convoquer au moins quatre sessions ordinaires de quatre jours dans l'année. Ils en font une ou deux. Ben, vous voyez. Et quand les conseillers, naturellement, cherchent à débarquer le maire, ils, en trouvent des obstacles. vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il y a, euh, disons, un soutien quelque part que les présidents des conseils obtiennent qui dépasse, si vous voulez, la hauteur des conseillers ce qui fait que les conseillers ne peuvent rien faire. Et en fin de compte, ils se découragent, surtout que c'est du bénévolat, il n'y a pas de salaire. Il y a quelques, juste quelques indemnités qui sont euh, demandées euh, par, trimestre. Donc, euh, au point où... Par session. oui, par session. Par session. Je dis, oui, quand je dis par trimestre, bon, <laughs> parce qu'il y a un, trimestre passé. Voilà, donc par session. Alors, c'est ça, tout le problème se trouve là. Mais sur le plan de la responsabilité, les conseillers savent qu'ils sont responsables il doit faire en sorte que les délibérations qui sont établies et qui sont exécutoires pour le maire le doivent. Il faut qu'il les fasse. Malheureusement, il y a un problème de réalisation. est ne sont pas, se sentent pas impliqués davantage Les, conseillers le sont. Ah oui, oui, si les sessions sont tenues régulièrement, ils sont donc informés de ce qui se passe et ils doivent donner participation. Oui, oui. Mais le problème, je dis, le problème demeure que certains, certains présidents de conseils euh, minimise les conseillers. Donc, il c'est comme s'il les convertit à juste des gens qui viennent demander un petit marché ou bien bon, un petit soutien quelque part. C'est tout. Or, ça, ce n'est pas, euh, en tout cas, n'est ah, pas en l'honneur du conseiller. Adam Mouanzo, la révocation des maires ou la dissolution du conseil est-elle la conséquence de la mauvaise gouvernance ou de conflits d'intérêts avec le pouvoir central Comme l'a dit le maire Ali, si on prend de façon globale euh, l'exemple du conseil de ville de Niamey, toutes les délibérations que le conseil a prises de 2011 à 2016, il y avait eu un travail au niveau de la commission des affaires générales et institutionnelles. On a recensé toutes les délibérations et on a fait la situation des délibérations exécutées, non exécutées et celles qui ne sont pas exécutées, pourquoi elles ne le sont pas et par rapport à chacune des délibérations non exécutées, on a fait une recommandation aussi. S'il faut la rapporter, parce qu'elle n'est pas, on ne peut pas la mettre en œuvre, on a recommandé, s'il faut la mettre en œuvre, la réactualiser et la mettre en œuvre, on l'a aussi fait et le Conseil a adopté le rapport que la Commission a présenté. Donc, de façon générale, au niveau des, euh, comme il l'a dit, les conseils, ils font leur travail. Mais seulement, malheureusement, il a effleuré une question la question de, que les, présidents de conseil sous-estiment, ne considèrent pas les conseillers. En fait, il y, a, des conseillers qui sont respectés, qui, sont, qui ne sont pas sous-estimés, parce qu'ils sont dans la bonne grâce du président du conseil. Et ces conseillers, ils concourent au marché au niveau de la collectivité, ils prennent les marchés avec des prétendants. Et c'est là, c'est pourquoi euh, la dernière fois, moi, dans un débat à la télévision nationale, j'avais demandé à ce qu'il y ait une inspection qui contrôle les marchés qu'il y a eu au niveau de la ville de Niamey de 2012, de 2011 à ce jour, ah, pour qu'on sache qui sont ceux qui ont bénéficié des marchés. Parce qu'aujourd'hui, on dit que tous les conseillers de la ville de Niamey sont pourris parce qu'ils ont, c'est eux qui prennent les marchés. Quand on vous voit, on vous voit comme étant des voleurs. Donc nous, pour clarifier cette situation. C'est pourquoi moi j'ai dit il faut faire une inspection et contrôler est-ce que réellement les marchés qui ont été attribués, est-ce qu'ils ont été exécutés. Deuxièmement, vous aviez posé la question sur la révocation du maire. Moi je pense que chaque fois le Code général de collectivité a énuméré les raisons pour lesquelles le maire doit peut être révoqué. Donc je pense que ce n'est pas une question de conflit d'intérêts. S'il y a conflit d'intérêts, c'est que peut-être le pouvoir central a constaté que la collectivité ne fait pas le travail, n'assume pas la responsabilité qui est la sienne. C'est pourquoi il y a les révocations interviennent. Si le maire, par exemple, si on prend le cas de Niami, il y a même eu les conseillers qui ont déposé une motion de défiance contre le maire et ont énuméré les griefs qu'ils ont contre le maire. Et cela, comme l'a dit le maire l'époque, il y a eu des, des, des, des, puissances plus fortes que les conseillers qui ont fait en sorte que la motion de défiance n'a pas pu aboutir. Et à cause de cela même, on accuse même les conseillers, on dit que le maire a acheté les conseillers. Nous, on sait ce qui s'est passé. <laughs> Lui, il sait. Lui, on ne peut pas, lui, un maire ne peut pas l'acheter. C'est ça. Donc, vraiment, s'il si, y a révocation, c'est la révocation, c'est que c'est justifié. Et le conflit d'intérêts, c'est par exemple si vous prenez Niamey, les investissements que l'État central a fait à Niamey pour que la ville rayonne, pour que la ville soit belle, soit plus agréable à vivre. Et que de l'autre côté, la collectivité qui devrait faire le travail d'assainissement, de salubrité de la ville, ne le fait pas. C'est qui, qui, contribue à polluer l'atmosphère au niveau de la ville de, la ville de Niamey. Donc ça, c'est une raison qui peut justifier le, la révocation du maire aussi. Parce que là, il a, il a fui ses responsabilités, il n'a pas fait le travail qu'il doit faire. Mais de façon générale, le Conseil, il l'a dit, le Conseil est convoqué souvent au lieu de quatre sessions obligatoires, conformément au Code général des collectivités territoriales, on tient deux sessions alors que le code fait obligation de tenir, les quatre, sessions, annuellement. On fait deux, ou bien on fait une. La dernière fois, on a fait une session. La deuxième, on l'a faite après la motion de défiance. Monsieur Saïdou Alidou, est-ce que le pouvoir central n'abuse pas de cet article 63 du Code <laughs> général des collectivités territoriales Mais pour quel intérêt le pouvoir central, lui qui a créé les collectivités ah d'abord Il faut d'abord se rappeler, c'est quand même l'État à travers donc euh, la procédure légale publique, oui. l'État a-t-il créé les collectivités et puis les dissoudre euh, comme ça Parce que tout simplement non. Il faut le dire euh, très honnêtement, et j'ai l'habitude de le dire, c'est que de la vie publique, seul l'État a la compétence de ses compétences, comme on dit, et que c'est l'État qui est en dernier ressort le garant de l'intérêt général. En, dépit de l'autonomie des collectivités que la loi leur confère. Mais il se trouve que lorsque l'intérêt de la collectivité elle-même est compromis, comme ils sont en train de le dire, c'est tous des élus là. Ah et c'est tous des conseillers. Donc, lorsque il arrive que l'intérêt de la collectivité elle-même soit compromis, et avec la compromission de l'intérêt de la collectivité, également la mise en cause de l'intérêt du citoyen et généralement le citoyen le plus vulnérable, le plus faible. Mais l'État est obligé d'intervenir. Oui, l'État est obligé d'intervenir justement pour éviter que, pour rétablir la collectivité dans ses droits et avec elle les citoyens. C'est ça qui explique que et le code, parce que c'est quand même un texte euh, de portée législative, qui a prévu de manière euh, le régime de droit commun que les élus ou le conseil municipal, qui est l'organe collégial, et l'organe délibérant où se prennent les décisions de la commune, et sous l'autorité duquel le maire d'ailleurs travaille. Le maire exerce ses attributions sous le contrôle du conseil municipal. Donc, a priori, c'est à cet organe-là que la loi a conféré le pouvoir de sanctionner le maire par les attributions que vous ont citées. Mais il arrive, et c'est le constat qui a été fait de manière générale, souvent, vous savez, la proximité peut générer des complicités, des relations, et vous savez, au Niger, le social prime sur beaucoup ce qu'on fait. Chez nous, là, on est dans une théorie de bon sait, il faut <laughs> dans la guerre, c'est entre nous, il ne faut pas. Bon, ça, justement, avec ces théories-là, ces théorèmes, fait que dans beaucoup de cas, on on compromet l'intérêt général. Et l'État, il se trouve que lorsque justement ça atteint un certain seuil, dans les conditions définies par la loi, l'État est obligé d'intervenir pour sanctionner pour évoquer. Et en général, il le fait, malgré tout ce que les gens pensent, très honnêtement. Et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait, que l'État le fait, mais c'est dans les conditions définies. Quand vous lisez bien l'article auquel vous faites allusion, là, il dit, et après constat des services habilités, des services compétents, en général, c'est le corps de contrôle de l'État. Par exemple, tout ce qui s'est passé jusque-là, c'est ce rapport d'inspection constaté et à la fin de la procédure du contradictoire, lorsque la, personne ou l'autorité incriminée est arrivée au terme des justifications qu'elle peut apporter aux reproches qu'on lui fait. C'est en ce temps que cela intervient. Vraiment, ce n'est pas tout ce que les gens pensent. C'est vraiment euh, ceux, qui, à qui c'est arrivé m'entendent. Ils savent très bien que ça s'est passé et c'est comme ça que ça va se passer. Monsieur Ali Maman, la décentralisation implique un transfert de pouvoir de l'État central aux arènes locales. Ce transfert de pouvoir est-il effectif aujourd'hui Ah oui, je peux en tout cas, nous avions fait un mandat depuis 2004, un deuxième mandat donc en 2011. Eh bien, c'est vraiment effectif. Seulement, vous savez, même lorsque c'est effectif, hein, donc l'État qui assure donc la tutelle à travers donc le gouverneur pour la région de Niamey, il y a quand même un contrôle et il y a également des situations où l'exécutif est soumis à la responsabilité euh, euh, du gouverneur dans le cas de la sécurité du maintien de l'ordre euh, et aussi dans, disons, l'exécution de certaines délibérations qui doivent, a priori, avoir l'objet d'une approbation notamment les lotissements, euh, les emprunts, etc. Donc voilà, euh, vous aviez euh, touché en tout cas là où il faut parler, parce que certains présidents de conseil pensent qu'à tout moment, ils peuvent prendre des dettes, ils peuvent... Non, non, non, non, non. Ils n'ont pas ce droit-là. Et pour l'avoir, il faut avoir disons l'habilitation au niveau du conseil. Il faut qu'ils réunissent, qu'ils fassent un programme pour dire voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà les ressources qui me sont nécessaires, mais je n'en ai pas assez pour le moment et je suis amené à emprunter. C'est en ce sens que le, conseil va examiner l'opportunité, effectivement, d'accepter ou de ne pas accepter. Mais, ça ne se fait pas. Eux, ils ne font pas d'appel d'offres le plus souvent c'est des marchés de gré à gré, des arrangements. c'est pour ça qu'ils ne s'en sortent pas. En fin de compte, euh, les, conseillers, les conseillers, vous savez, euh, comme, tout à l'heure on vient de le dire, euh, certains effectivement pensent que le fait d'être conseiller, c'est un boulot et que ça doit donner lieu à des rémunérations, ben, tant bien que mal, par-ci, par-là. Non. C'est-à-dire, il faut qu'ils acceptent que ce travail, certes, c'est un travail, mais un travail d'honneur qui doit donner satisfaction à l'individu même qui se sent concerné, qui se sent citoyen au sein de sa cité et qui doit contribuer. C'est sa part de contribution en fait. Et donc elle n'a pas besoin d'être rémunérée. Mais les gens ne comprennent pas ça. Euh, parce qu'il n'y a pas, au début, effectivement, il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation. Et de façon bon, c'était un fourre-tout, les gens sont venus de gauche à droite, mais vous savez, à, force de euh, faire des mandats, de refaire des mandats, les gens finissent par, quand même par comprendre. Donc la situation, c'est-à-dire que la, révocation en elle-même, c'est, euh, disons, une situation normale. C'est lorsqu'il y a effectivement faute, notamment faute de gestion ou faute de, administrative. C'est une sanction. Quand, il y a des lois, quand il des lois qui sont violées, les conseils interpellent. la tutelle devrait réagir. Or, on a vu beaucoup de cas, la tutelle ne réagit pas. Parce que simplement, ou pour une question d'étiquette, parce que ça, là, c'est quand même important, il faut le dire même quand il s'agit de conseils local. Donc, euh, ce qui fait que euh, souvent, effectivement, ça finit par décourager certains conseillers pour estimer que le président est un protégé et qu'il peut tout se permettre. Et puis, bon, lui, fort ça aussi également, ben, il, abuse. D'accord, monsieur. Il ne convoque pas des conseils, mais, c'est la, première des choses. Le gouverneur, lorsque vous constatez que vous avez la loi qui a dit tous les trois mois, la délibération du conseil qui précise hein, à quel moment le premier conseil, le deuxième, le troisième qui va se tenir. Donc, si le gouverneur constate à l'expiration de ce délai qu'il n'y a pas, mais il doit interpeller le Conseil. Pas tout à ah. l'heure, j'ai entendu parler de l'obligation, c'est-à-dire le droit et les obligations. C'est-à-dire que pourquoi il y a beaucoup d'associations de défense de droit de ceci, de cela, de cela Parce que simplement, euh, si vous voulez, on se dit que les obligations sont, si vous voulez, le privilège de l'État. Et qu'à ce titre-là, c'est à l'État de faire en sorte que les obligations soient accomplies. D'accord, merci Ali Maman. Adamou Manzo, les partis politiques jouent un rôle fondamental dans le processus de la décentralisation. Les stratégies des partis politiques entravent-elles les initiatives des acteurs locaux, notamment leur capacité de mobilisation des ressources financières Je ne crois pas que les partis politiques jouent un rôle dans la mobilisation des ressources au niveau des collectivités territoriales. C'est une question de volonté. Tout à l'heure, le maire Ali vous a dit que le Conseil a interpellé l'exécutif pour qu'il fasse les avis d'imposition et qu'il les dépose euh, euh, aux résidences des, habitants. Ce qui n'a pas été fait depuis 2012, 2011, 2012. On, interpelle sur ça. Et ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Donc, c'est une question de volonté, de, de, volonté des, exécutifs des, municipalités de mobiliser les ressources. Parce que vous voyez, si on prend l'exemple de Niamey, la mobilisation des ressources au niveau des ressources propres à la ville, si on, constate qu'elles ont baissé de manière drastique de 2011 à aujourd'hui. En 2011, par semaine, les collectivités peuvent mobiliser 60, 70 millions par semaine. Mais aujourd'hui, tu vas trouver à peine, elles mobilisent 10 millions, 15 millions. Par semaine. Par semaine. Et vous allez voir souvent les carnets de taxes, les carnets les percepteurs là, les carnets de, 100 francs, 200 lacs avec lesquels ils circulent, il n'y en a pas dans les arrondissements. Les arrondissements font la demande au niveau de la ville. On ne leur met pas les carnets euh, à leur disposition. Monsieur le directeur, après 13 ans, quels sont les acquis de la décentralisation au Niger aujourd'hui Eh oui, les acquis, ils sont visibles et ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce que ça de pour comprendre euh, qu'il a des acquis, moi je me rappelle, les premières années, les gens pensaient que la décentralisation était impossible au Niger, que ce n'est même pas possible. De ce repère-là à aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, vous avez quand même 255 ou selon le cas 270 collectivités sièges de pouvoir locaux au Niger. Ça veut dire que Aujourd'hui, si vous prenez la route Niamey-Zender, dans un rayon de 20 mètres, de 20 km, excusez-moi, vous avez quelque part le siège d'une autorité publique où lorsque ça arrive, vous pouvez aller vous présenter parce que c'est un service public. Le Les sièges des mairies, c'est extrêmement important. Avant l'ensemble du Niger, pour tout le Niger, nous n'avons que 36 arrondissements. 36 qui sont aujourd'hui érigés au rang de département et 21 communes avant la communalisation intégrale. 7 départements. Vous pensez que c'est suffisant pour encadrer une population éparpillée sur un territoire de 1 267 000 km et faire du développement avec Donc je pense que au-delà de toute autre considération, la décentralisation a un important acquis qu'il faut qu'il va falloir capitaliser. Et l'autre acquis, c'est que justement, par rapport à ce que je viens de dire, vous avez vu, il suffit qu'on mette du contenu. Au moins, il y a une question qu'on peut véritablement prendre en charge et qui est en train d'être prise en charge, c'est la question de l'état civil, par exemple. L'autre aspect, aujourd'hui, moi je vous dis, il y a des communes qui interviennent, y compris dans l'organisation du bac des communes qui interviennent de l'évacuation sanitaire en brousse, en milieu rural. C'est pourquoi j'ai beaucoup, j'ai préféré, j'ai aimé qu'il un maire de nos communes rurales ici pour qu'ils disent aux gens ce qu'ils font à l'insu de la grande masse des citoyens. Ce n'est pas seulement ce que tout le monde dit là. vous savez, les Nigériens aiment beaucoup commenter les mauvais côtés des choses. Oui. Mais très honnêtement, moi j'ai eu l'occasion de le constater il y a des gens qui font, malgré tout ce qu'on dit, du bon boulot sur le terrain. Il faut le, reconnaître et les encourager. Comme malheureusement, il y en a qui font du mauvais, boulot qu'il faut sanctionner. Mais sinon, aujourd'hui, il suffit, on n'a pas fait une évaluation pour le dire de manière scientifique, mais aujourd'hui, il suffit que les gens soient dégagés de tout, de tout a priori, de toute autre considération pour constater que malgré tout ce qu'on dit, la décentralisation a quand même des acquis au qu'il faut évidemment capitaliser, qu'il faut corriger, ces sûr du temps qui nous est imparti, donc c'est juste 45 minutes. Monsieur Ali Maman, euh, vous êtes ancien maire au niveau de la communauté urbaine de Niamey, actuellement conseiller municipal euh, ici à Niamey. Adamou Manzo, conseiller municipal à Niamey. Monsieur Ali Doucedou, directeur général de la décentralisation et des collectivités territoriales. Merci à tous les trois d'avoir accepté d'être euh, les invités du forum du studio Kalangou. Je vous donne rendez-vous pour un autre forum du studio Kalangou demain à partir de 18h15. Merci et au revoir.